revalorisation bi moo ñu boole fii tey agent yi nga xamni ne ñoo nekk ci gox goxati liñ nous laaj moy amul ñu defuñu ko ci revendication décret le bo xamni Sénégal gépp bénéficier nañ ko ci sauf ñun ñun dañoo nek ay agent public donc aujourd'hui la loi 2011 08 daf ñoo jox ak ak yelleef yi nga xamni mom la jox agent état du Sénégal ñëpp jot nañ sauf ñun lolu lañu ñuy laaj jusqu'à présent donc amul ne au fond nous ci cadre négociation parce que nous ci cadre des dimensions du du du code euh, du code du travail nous sommes dans le cadre ci cadre euh, statut boo xam ne appliquer Moi, je suis wax ci 29 Je yokk wala bépp avantage bu agent état am agent culture locale d'office am Ce ko loolu la pas plus a une forme de négociation ou de revendication mais parce que nous avons déjà autorité je pense que ils ont suscité beaucoup d'espoir c'est-à-dire que dafa am yakar bo bu mag bo xam dañ parce que communication dañ ko accès ci que que justice soit faite à tous les Sénégalais donc nous pensons que l'injustice injustice de ci collectivité territoriale parce que depuis mai 2022 ba n'y a jot nañ ci sauf agent gokh loolu comprendre ñu négocier loi et par conséquent loi Bob, je pense que qui qui aurait dit, jiitu ci respecter loi bob moi moi état du Sénégal donc ce qui n'a pas été le cas en tout cas en tout cas l'exercice de ce matin consiste à en cas interpeller l'ensemble des agents de culture territoriale sur la question qui depuis près de deux ans n'a pas encore trouvé de réponse alors que euh, les agents de manière générale réclame tout simplement la satisfaction d'un droit qui a été consacré par, par, un décret. Déjà, si on énonce déjà la loi 2011-08 en son article 29 qui dit précisément que tous les avantages accordés aux agents de l'État sont accordés d'office aux agents des collectivités territoriales. Et justement, on est toujours en attente. Donc on a rencontré les, en tout cas les autorités de l'État du Sénégal. Après multiple en tout cas nous ne sommes pas en position de revendication. Nous réclamons tout simplement l'application de la loi. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'a pas été fait, c'est ce qu'on n'a pas encore compris. C'est un droit qui a été consacré par la loi et par la Constitution. C'est tout ce que les collectivités, les agents de collectivités territoriales demandent aujourd'hui. La, la, satisfaction de ce droit-là. Et c'est l'occasion, en tout cas, pour l'intersyndical, d'interpeller directement les nouvelles autorités du Sénégal. Les nouvelles autorités du Sénégal sont interpellées c'est une question qui n'a que trop duré et qui doit aujourd'hui, en tout cas, connaître un, terme, en tout cas une solution définitive. Parce que syndical, les travailleurs des collectivités territoriales de manière générale, ne demandent que la satisfaction d'un droit qui leur est consacré par la Constitution. Du temps, moi je pense que de toute façon, ils sont élus en tout cas pour régler des problèmes. Ce problème-là se pose depuis mai 2022. Ça n'a que trop duré et par conséquent, Aujourd'hui, il faut qu'ils considèrent qu'ils sont déjà dans l'urgence pour régler le problème. Parce qu'il y a énormément de problèmes qui se posent dans le secteur des collectivités territoriales du Sénégal. Et tout simplement qui relève de la non-application de la loi. Et aujourd'hui, dans les collectivités locales, il n'y a que deux lois. La loi 2013 du 18 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales et la loi 2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires de C'est deux lois qui ne trouve pas d'application. Et par conséquent, je pense que le, dossier le plus urgent à régler aujourd'hui au Sénégal, c'est le dossier de la décentralisation, qui, à mon sens d'ailleurs, le développement du Sénégal se fera à travers les territoires où ne se fera pas. Et ça, je pense que tant qu'on n'aura pas au Sénégal des territoires, des territoires qui sont viables et qui sont porteurs de développement durable, on n'ira nulle part. Parce qu'on parle aujourd'hui de territorialisation des politiques publiques. Cela signifie quoi que le développement va partir de la base vers le sommet. Donc il faut que les sommets aient des reins solides. Il faut que le, développement local soit financé, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas. je me pose la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, il y a une politique de décentralisation En tout cas, dans cette dimension, on considère que c'est complètement fait On a des territoires qui ne sont pas viables. Déjà, il y a un certain nombre de choses. Le problème du financement du développement local. Si aujourd'hui, en termes de fonds de dotation, fonds de fonds de concours tourne aujourd'hui autour de 1% du budget national. Où se situe l'effort en tout cas que l'État a fait en direction des territoires L'exercice des compétences qui sont transférées, je dis concomitamment, c'est des, combattants compétences qui sont dévolues à l'État, qui sont aujourd'hui dévolues aux collectivités territoriales. Qu'est-ce que l'État fait pour le financement de ces compétences qui sont transférées Donc cela signifie qu'aujourd'hui, en tout cas, nous assistons à un capulement institutionnel pour ma politique qui aujourd'hui ne, trouve aucune solution, en tout cas dans l'application des, lois et règlements de ce pays-là.